The forum du The le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du The forum du studio forum du studio forum du studio Kalamkou 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 90. MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes aux ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse aux normes recommandées dans le choix des matériaux de construction au Niger. Avec nous pour développer ce sujet, Kane Kadaure Habibou, architecte et président de l'association des jeunes entrepreneurs. Kane Kadaure Habibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amadou. Avec nous également Boubacar Gavida Moumouni, chef service contrôle technique à la direction de sécurité des installations électriques intérieures au Niger. Sien. Gavida Moumouni Boubacar, bonsoir. Oui, bonsoir. Le constat est catégorique. La ville de Niamey, en ses quatre points cardinaux, croît de manière exponentielle. Tous les jours, on assiste à l'érection de nouveaux chantiers dans les cinq arrondissements qui comptent la capitale du Niger. Les champs qui jadis pullulent à la périphérie de Niamey sont aujourd'hui devenus des lotissements vendus à prix d'or. Même la ceinture verte, cet espace boisé et verdoyant dont la réalisation remonte aux années 1960, n'est pas épargné par la boulimie de cette extension effrénée de la ville. Le boom démographique de la population de la capitale n'est pas étranger à cette situation d'urbanisation accélérée de la ville. Mais cet état de fait ne va pas sans poser de problème. En effet, les infrastructures sociales ne suivent toujours pas la cadence de cette urbanisation, surtout en matière du respect des normes de construction. C'est certainement ce qui explique la fréquence de plusieurs sinistres tels que les incendies, les inondations et les effondrements des habitations qui endeuillent chaque année beaucoup de familles au Niger. Kane Kadaure Habibou, vous êtes architecte, président de l'Association des jeunes entrepreneurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous d'abord votre association. L'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, c'est une association qui regroupe euh, les jeunes entrepreneurs évoluant au Niger. Euh, de nationalité nigérienne comme euh, d'autres nationalités parce qu'il existe des entreprises qui sont portées par euh, des étrangers au Niger. Donc euh, c'est une association qui euh, demande à ce que euh, les futurs adhérents soient dirigeants d'une entreprise ou bien créateurs, fondateurs de l'entreprise ou bien gérants de l'entreprise simplement. Donc c'est une association qui a été créée en 2016, fin 2016. Nous sommes dans notre deuxième année d'exercice. On évolue comme toutes les autres associations en fonction de l'environnement tel qu'il se présente à nous. Vous êtes aussi architecte Je suis architecte de formation et je suis directeur général de l'agence Projet 10 Afrique, agence euh, de projet de design et d'ingénierie pour le Sahel Afrique, qui est un cabinet d'architecture de droit nigérien qui travaille sur euh, des grands projets d'architecture, euh, sur des opérations de construction, sur les expertises immobilières pour accompagner les usagers des, banques afin de, trouver une évaluation de la valeur vénale de l'air bien pour contracter des prêts au niveau des banques. Boubacar Gavida Moumouni, chef service contrôle technique au niveau du projet Sien Sécurité des installations électriques intérieures au Niger. Présentez-nous le projet Sien. Quel est son rôle Peut-être je vais faire un peu l'historique euh, du projet Sienne. Allez-y. Hum, donc, c'est en 1980 que le secrétariat administratif des fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de l'entente a confié au département de la normalisation et de la réglementation industrielle une mission d'évaluation sur l'état de la normalisation et des réglementations industrielles des cinq pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. C'est ainsi qu'une action commune est née entre le ministère de Mines, de l'Industrie, de l'Énergie et de la Nigeria à l'époque, qui a débouché en 92 sur l'apparition du décret 92-66-PM-MME-I-A e, du 12 février 1992 relatif à la conformité des installations électriques intérieures, conformément aux normes et sécurité en vigueur au Niger. Après le décret, donc, il y a eu euh, à l'époque euh, par le ministre en charge l'énergie, la création du projet SIEN par l'arrêté 42 bar ME bar I bar A du 23 mars 1992. Donc le projet SIEN a pour mission le contrôle des installations électriques et le visa des attestations de conformité. Kane Kadaure Habibou, vous êtes architecte. Qu'entend-on par normes de sécurité parlant de construction d'une habitation, par exemple Merci bien. Euh, je voudrais d'abord vraiment vous remercier d'avoir euh, choisi euh, ce thème qui est combien central euh, est important dans la vie de notre nation, quoi, dans la vie de toutes les nations même d'ailleurs, parce que quand on se soucie des normes, quand on se soucie de la qualité de construction, de la qualité de notre cadre de vie, on assainit notre vie, on, rend agréable notre cadre. je pense que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur aux Nigériens et surtout à nous qui pratiquons le métier chaque jour. Euh, je vous ai écouté euh, à travers votre introduction vraiment faire la genèse, la situation qui s'est créée avec le temps. Euh, euh, en termes d'urbanisation, en termes d'occupation de notre espace, notamment ici Niamey, la capitale. C'est vrai que c'est regrettable, mais bon, on est, obligé de l'accepter aujourd'hui. Peut-être dans les jours à venir, on prendra des dispositions ou les autorités prendront des dispositions pour apporter des solutions meilleures à cette situation qui se crée. Parler des normes euh, dans le domaine euh, de la construction ici au Niger serait peut-être s'aventurer dans un milieu dans un cadre qui, en réalité, n'est pas bien maîtrisé même euh, par euh, les entités, les structures qui sont créées à cet effet-là. Parce que, vous savez, euh, il y a vraiment un vide réglementaire, il n'y a pas assez de réglementation en termes de construction au Niger. C'est-à-dire, il y a une insuffisance des textes réglementant la construction. Mais bon, il y a quelques... Il n'y a pas non plus de négligence Bon, en fait, je vais y arriver. C'est-à-dire, pour le moment, euh, quand je parle de l'insuffisance des textes, ça, c'est du cadre juridique et réglementaire, quoi. C'est-à-dire, la négligence, ça, ça peut être développé du côté de la responsabilité qui se dégage par les consommateurs des services, d'accord, que les architectes dont les urbanistes donnent et les techniciens, ou, ou également par les autorités. Voilà, s'il y a une certaine négligence en termes de respect des normes, donc ça peut venir de ces deux côtés-là. C'est-à-dire ceux qui sont censés réglementer, faire en sorte que la, réglementation soit appliquée, et ceux qui sont censés aller vers les techniciens pour consommer ce service. Quoi. Donc je vais en venir euh, là-dessus. Pour le moment, euh, je disais, hein, vous savez, euh, la réglementation ici au Niger, on ne peut pas parler vraiment de réglementation parce que moi, je pratique ce métier-là. la réglementation se limite à ce qu'on a appris à l'école. Mais le cadre juridique ici au Niger, les textes qui organise de manière professionnelle, de manière euh, conventionnelle, d'accord, la pratique de ce métier, qui touche au développement de nos villes, à la maîtrise de leur croissance, d'accord, elle est vraiment insuffisante. C'est ce dernier temps-là que la mairie, que le ministère en charge de l'urbanisme ont commencé à prendre en charge cette question parce qu'il y a le code de la construction qui est en élaboration, d'accord, et il y a quelques arrêtés au niveau de la mairie qui organisent l'obtention de l'autorisation de construire, d'accord et puis le contrôle de qualité en termes d'exécution des chantiers sur le terrain. Donc c'est en cours. Il y a d'autres qui sont déjà adoptés. Donc c'est maintenant qu'on est en train de mettre cette réglementation en application. Mais sinon, si vous regardez les normes de construction, si je reviens dans le cadre de votre question posée, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles qui sont d'ailleurs universelles, hein, d'accord, qui respectent certaines caractéristiques, certaines spécificités des matériaux de construction que les, porteurs de projets doivent respecter pour la sécurisation, d'accord, de leurs biens d'abord et de ceux qui vont travailler dans le cadre créé. Donc c'est ça qu'on appelle norme. Souvent quand on parle de norme, c'est pour la sécurisation des biens des personnes et des services. Mais bon, ici au Niger, comme je l'ai dit, il y a une insuffisance, d'accord, et que bon, Aujourd'hui, vous l'avez dit, si vraiment on se permet de regarder comment la ville de Niamey se développe, comment les chantiers foisonnent, comment les porteurs de projets passent à l'autoconstruction sous le régal complice des mairies, c'est vraiment pas encourageant pour nous les praticiens. Mais ces dernières années, il y a eu euh, pas mal des avancées dans ce domaine pour euh, amener les gens à comprendre l'importance de respecter les normes. Ici au Niger, si vous regardez, de manière générale, on travaille avec le document technique unifié. Donc le document DTU, ça c'est un document euh, français. Ce sont les normes françaises qu'on essaie d'appliquer ici. Presque tous les descriptifs que nous faisons, dans l'élaboration et le montage des grands projets de construction, on se réfère à cette euh, norme euh, européenne, française, pour euh, définir euh, le cahier de charge des constructions sur lesquelles nous sommes euh, responsabilisés à donner notre avis. Vous venez là d'étaler les normes, le manque de cadre juridique à ce sujet, Khan Habibou. Quel constat peut-on faire concrètement sur le terrain Bon, en fait, le constat, il est simple. Hein, C'est-à-dire, j'ai parlé de l'autoconstruction. Vous savez, euh, le processus de la construction, ou je dirais l'acte de, de, la construction, c'est un processus très compliqué, d'accord, et qui demande l'intervention de plusieurs professionnels. D'abord, il vous faut euh, vous attacher le service d'un architecte pour avoir les plans qui doivent répondre à vos besoins en termes d'agencement d'espace selon la fonction qui est affectée à l'immeuble. D'accord Il vous faut trouver un ingénieur génie civil, d'accord, qui doit dimensionner, travailler sur la résistance de ce bâtiment-là qui est créé. Et puis en deuxième, en troisième position, même si c'est un processus itératif, il y a des va-et-vient, il y a les ingénieurs géotechniciens aussi qui interviennent pour euh, euh, travailler sur euh, la qualité du sol et comment le bâtiment pourra vraiment être implanté euh, sur le sol qui doit l'accueillir. Mais bon, si vous regardez, normalement, ça c'est la, logique des choses. la logique des choses, mais tout ça n'est pas, particulièrement bien respecté. Pourquoi Parce que bon, vous savez, normalement, toute opération de construction doit passer au niveau de la commission de permis de construire, qui siège chaque deux semaines au niveau de, la ville de Niamey. D'accord Mais si cette commission l'a fait son travail, si cette cette commission regarde toutes les opérations qui est soumises à son appréciation, elle valide les documents, d'accord, suivant leur qualité, par rapport à la résistance et par rapport à leur intégration dans notre paysage urbain, on n'allait pas assister à ces constructions-là qui se développent partout dans la ville du Niamey sans pour autant respecter la qualité de notre paysage en apportant euh, n'importe quel style architectural. Alors que vous savez, l'architecture, c'est quelque chose qui renvoie à celui qui la regarde, à celui qui est en contact avec elle, d'accord, la sensibilité culturelle la sensibilité de notre tradition. Mais bon, ici, à Niamey, on a tendance à offrir à tous les consommateurs de ce service-là, d'accord, des architectures hybrides, des architectures qui ne répondent pas à notre façon de vivre, à notre tradition. Normalement, nos villes doivent être caractérisées par un style. C'est ça qui va euh, attirer l'attention, d'accord, de, nos invités, des étrangers qui vont venir ici au Niger. On doit avoir des villes qui ont un caractère, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et cela, on ne peut l'avoir que seulement quand on essaye de, de faire travailler les professionnels, quand on essaye de les inviter à respecter les normes suivant euh, la direction que nous traditions donnent. Boubacar Gavida Moumouni, chef service contrôle technique au niveau du projet SIEN. Que peut-on comprendre par sécurité des installations électriques intérieures au Niger euh, Merci bien. Donc, euh, je vais d'abord commencer à vous remercier d'abord parce que ça va nous permettre peut-être de parler beaucoup l'importance des contrôles. Aujourd'hui, comme la STAC vient de le dire, il y a beaucoup de concessions qui se font, mais malheureusement, sur le côté de l'ETC aussi, vraiment, il y a un gros travail à faire. Donc, euh, quand on parle de sécurité d'installation électrique intérieure, ça veut dire que c'est un ensemble de normes qu'on doit respecter quand on veut, quand euh, au niveau de la construction, donc on doit respecter pour que vraiment, après la mise de service de l'installation, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'incendie. Donc c'est ça, la sécurité repose sur un ensemble de règles qu'on doit respecter vraiment au niveau de la construction, la des, des installations électriques intérieures. Est-ce que c'est avant la construction euh, qu'il va falloir euh, observer le respect strict de ces normes ou bien après la construction C'est pendant la construction. C'est-à-dire que dès que le chantier démarre, à un certain niveau, l'électricité aussi vient. La conception de l'installation électrique intérieure. Ça veut dire que dès le chantier commence, que l'électricité aussi commence. Parce qu'on doit d'abord, avant d'arriver à la conception l'installation, on doit chercher les matériels. Donc c'est là aussi, c'est là-bas que ça commence. Comment faire euh, le bon choix de ces matériaux des installations électriques Le choix des matériaux des installations électriques interpose sur un certain nombre de critères. Par exemple, parmi les critères, il y a le critère de solidité, il y a le critère de durabilité, il y a le critère d'isolement et il y a le critère de bon fonctionnement. Donc ces critères-là qui font en sorte que les matériaux électriques est vraiment est bien et qu'on peut vraiment l'utiliser dans le cadre de la réalisation des installations électriques est-ce que vous orientez des gens euh, à aller vers euh, toutes ces qualités Oui, donc tout celui qui vient comme j'ai dit dès le début, nous, notre mission, c'est le contenu, c'est la santé intérieure aussi. Donc, toute personne qui vient chez nous pour demander, on l'oriente pour dire que bon, voilà, allez-y, tel matériel, vraiment, voilà ce qu'on peut vous conseiller pour l'utiliser, il est bien, voilà ses qualités, voilà la norme, tout l'essentiel, c'est la norme, quoi. Ce que la norme a dit, voilà, voilà. Boubacar Gavida Moumouni, comment les populations nigériennes abordent-elles vos services ou les versent depuis euh, le décret 92 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on a des problèmes au niveau des contrôles. Jusqu'à présent, les jeunes, la population ne connaît pas l'importance du contrôle même. Alors que le contrôle, ça permet vraiment d'assurer la sécurité des personnes et des biens de la maison. Parce qu'aujourd'hui, dans une maison, l'élément le plus dangereux, c'est l'électricité. Vous pouvez euh, investir des millions, tant qu'au côté de l'électricité, vous n'avez pas respecté les normes, l'installation n'est pas bien faite selon les normes, donc c'est des problèmes. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, les gens ne connaissent pas l'importance malgré notre effort, malgré notre sensibilisation. Et vraiment, on a du mal. Il y en a qui, qui, ont du mal vraiment à venir chez nous ou bien à, se faire contrôler par nous leur installation électrique interne. Donc vraiment, le contrôle est vraiment très important. Donc c'est un truc qu'on ne doit vraiment pas négliger oui. Où est-ce que vous faites euh, vos contrôles Au niveau des habitations familiales, au niveau des gros bâtiments, des immeubles ou bien dans les marchés Bon, le contrôle se fait partout. Dès que c'est un, branchement de la ça veut dire que tout abonné ou bien toute personne qui veut faire un branchement au niveau de sa maison, au niveau de sa boutique, au niveau d'un branchement de l'Angélec. Donc, euh, après avoir eu son débit de, de l'Angélec, donc il passe chez nous en fonction de la puissance de son compteur. Il y a le frais de contrôle à payer et nous, on procède au contrôle. Et maintenant, même, il y a même des facilités parce qu'avec le décret 92, là, il était interdit à tous les distributeurs d'énergie de placer un compteur, de mettre sous tension un compteur sans passer le service de sécurité société TQNTR, qui doit en avant faire un travail d'élever une station de conformité et c'est après que l'Angélique peut passer et, poser le compteur et mis sous tension le compteur. Maintenant, depuis euh, le 19 janvier, dès le cadre du 12 le président de la République a signé un décret qui modifie et complète le décret 92 pour dire que maintenant on accorde une certaine facilité aux abonnés que si vous voulez aujourd'hui avoir un branchement au niveau de l'Angélec. Une fois que vous avez votre début, vous passez chez nous et vous avez deux choix. Soit la sienne fait le compteur de vos installations électriques avant que l'Angélec exécute les branchements, avant que les compteurs soient mis sous tension. Ou bien vous avez la possibilité d'avoir une autorisation provisoire et après, vous, après le branchement de la Nigelec, l'élection des branchement, donc vous revenez encore au niveau de la SEM pour vous faire contrôler. Donc euh, vraiment, nous remercions beaucoup le président de la République vraiment qui a pris l'initiative vraiment d'accorder une certaine facilité. Mais tout, dès le, dès le, décret, il a bien notifié que le contrôle est obligatoire. Le contrôle est obligatoire, mais à quel coût et les frais de contrôle, là, je peux dire même, c'est vraiment un peu négligé même. Par exemple, pour un compteur de kilos, on ne paye que 5 000. C'est presque à titre gratuit. Par exemple, si nous, on est à Yantala, quelqu'un qui veut faire un branchement à l'aéroport, imaginez, regardez les crédits qu'on met pour aller faire le contrôle. Donc, sur ce les là vraiment, c'est même négligé. Par exemple, quand on parle de la sous-région, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est autre chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y ait vraiment la sécurité des personnes et des biens. Donc, on fait tous nos efforts pour que vraiment, quand on place les compteurs, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas incendies C'est ça notre l'objectif même du, du C'est pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, en termes de coûts, je peux dire que vraiment, c'est presque même gratuit. Hein. Parce qu'il y a un contrôle de 3 kilos. Nous, on se lève ici à Yantla pour aller à l'aéroport faire un contrôle presque vraiment gratuit. Hein. Mm. Boubacar Gavida Moumouni, pourquoi jusque-là les populations ne connaissent pas l'importance du faux service Bon, ça vraiment peut-être que il y en a qui n'ont pas beaucoup peut-être sensibilisé, qui ne connaissent pas l'importance. C'est tout ça, qui ne connaissent pas l'importance du contrôle. Un manque de sensibilisation bon, On ne peut pas dire qu'il manque de sensibilisation. Nous, depuis 92, on entend de sensibiliser tous. Celui qui vient chez nous avec son devis, on les sensibilise d'abord pour dire que voilà l'importance du contrôle, voilà ce que vous devez faire avant même d'aller retourner à l'ingénieur pour payer votre débit. Vous devez faire, comme on appelle, chercher l'électricien qui vous a fait l'installation et vous revenez, on vous fait le contrôle. Donc vraiment, dès que quelqu'un vient, vraiment, il y a la sensibilisation. On sensibilise vraiment. Mais malgré ça, jusqu'à présent, vraiment... les gens traînent les pieds. Vraiment, jusqu'à présent, il reste vraiment un gros travail à faire. Est-ce que chez vous, au niveau euh, du projet sien, il y a du personnel suffisant pour mener à bien sa tâche oui, bon, au niveau des projections, donc je pense à l'intérieur du pays, parce que la scène est représentée aussi à l'intérieur du pays. Là, vraiment, les problèmes ne se posent pas, les contrôles se font normalement comme ça se doit. Mais au niveau de Niamey, c'est vrai, on a un petit problème au niveau du personnel. Donc, les personnel qu'on a aujourd'hui ne suffit pas vraiment pour suivre les rythmes de la Nigélec. Mais le président de la République, je dis, dès le cadre de, a pris l'initiative vraiment à recommander à ce que le projet de Sienne fasse euh, un renforcement des capacités. Qui dit renforcement des capacités du recrutement des personnes. Donc, en cette année, Inch'Allah, on va recruter des personnes suffisantes et qualifiées pour faire le travail. Quand Habib, on va revenir vers vous. Nous avons vu des immeubles effondrés après leur construction ou bien des bâtiments euh, effondrés, des habitations effondrées euh, après les inondations. Est-ce que cette situation n'est pas relative à l'état de précarité des populations ou encore l'analphabétisme des populations euh, Bon, on peut dire que c'est relatif. Hein. c'est relatif pourquoi Parce que, vous savez, le l'effondrement d'un immeuble être causé par euh, plusieurs euh, facteurs. C'est-à-dire, euh, ça peut être lié par, causé par le facteur études, c'est-à-dire les études architecturales ont été ratées, ou bien les études techniques structurelles ont été ratés. Voilà. Ou bien on a utilisé des matériaux de construction de très mauvaise qualité. Et c'est là où intervient le travail sur les normes. Vous savez, les matériaux de construction ont des caractéristiques. ici, euh, très souvent les gens ne voient pas ces caractéristiques-là. Ils achètent, ils utilisent seulement. Par exemple, il y a plusieurs types de ciment et ces types de ciment-là sont utilisés suivant la destination des ouvrages. D'accord Mais bon, le seul euh, ciment qu'on a, c'est le Portland, les CPCP, c'est tout. Je ne reviendrai pas sur ces détails. Mais vous savez, il y a plusieurs façons de faire. Et, mais malheureusement, les gens ne connaissent pas parce qu'ils n'approchent pas les professionnels, comme je l'avais dit tantôt. Donc vous voyez, les responsabilités peuvent être partagées dans d'autres cas aussi. Il y a également les, mauvais agrégats. C'est-à-dire vous pouvez euh, avoir du gravier de très mauvaise qualité ou euh, du sable de très mauvaise qualité suivant le type de l'ouvrage qui est exécuté. Ce qui veut dire que le fondrement d'un immeuble c'est-à-dire, euh, à vue d'œil comme ça, on ne peut pas dire voilà ce qui a causé l'effondrement de cet immeuble-là. Mais principalement, ce qui cause le, des immeubles, principalement, c'est l'autoconstruction, le fait de ne pas approcher les professionnels. Parce que si vous approchez un professionnel, il va toujours vous dire ce qu'il faudrait faire pour... Oui, à ce niveau, les gens pensent que ça a un coût. Bon, c'est vrai que ça a un coût comme euh, tout autre service, parce que très souvent, ce sont des structures privées qui accompagnent. C'est-à-dire même l'État s'attache le service des architectes pour la construction des immeubles lui appartenant. Et c'est bien normal que quelqu'un qui peut être, qui est prêt à mettre plus de 50 millions, 30 millions, voire 100 millions comme investissement dans un immeuble qu'il approche un architecte qui d'ailleurs, ils ne sont même pas payés suivant le barème euh, euh, officiel des honoraires des architectes. On leur donne que seulement des forfaits. Donc nous recommandons vraiment à ceux qui sont intéressés par euh, ce besoin d'éviter vraiment des immeubles qui s'écroulent lors des constructions ou bien une fois fini d'approcher les professionnels. Et puis il y a une autre chose, je voulais vraiment insister là-dessus, quand on parlait des normes tout à l'heure. Vous savez, c'est-à-dire ici au Niger, nous sommes un pays, un grand consommateur, un pays où on a une population, une masse de consommateurs. Donc pratiquement tout est importé. C'est-à-dire, euh, un moment, j'avais vu, il y avait une agence là qui était active, agence euh, pour euh, la conformité les normes ou hmm. quelque chose comme AVCN. ça. AVCN, agence de vérification des hmm. conformités des normes, hmm. AVCN. Cette agence-là existait à un moment, hein, je, connaissais, je connais. Mais ça a été finalement Finalement, moi, je ne sais pas où se trouve <laughs> cette agence-là pour le moment. C'est-à-dire, avec cette agence, d'accord, au niveau des barrières douanières, on peut voir la qualité des matériaux qui sont importer ici au Niger. C'est au niveau de la douane que, tout le travail se fait. Si on établit des normes, la douane, si tu n'amènes pas les produits qui respectent les normes, la douane les refoule. Donc vous voyez, euh, cela seulement, rien que qu'à ce niveau seulement, on peut trouver une réponse à ce problème en invitant les professionnels effectivement à utiliser convenablement ces matériaux qui rentrent euh, suivant le respect des normes sur les chantiers. On a quand même l'idée des paquets de fer euh, euh, périmés venus de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a une chose, hein, si vous regardez sur le... C'est vraiment aberrant. Si vous partez aujourd'hui au niveau des points de vente, on va vous dire qu'il y a du fer normalisé, d'accord, et il y a du fer économique. Mais moi, je ne comprends pas ça. Chaque fois que je me présente chez un vendeur, il se permet de me dire que voilà un fer qu'on appelle normalisé. Donc lui, il respecte les normes. Et voilà un fer qu'on appelle économique. Tu l'achètes pour construire un immeuble. Personne ne vient dire que ce que tu es en train de faire, tu mets en danger des vies humaines. D'accord C'est-à-dire, euh, l'autre invité, mon ami, il a parlé il a parlé de l'électricité. Vous savez, le processus de construction là, peut-être je vais jouer un peu l'avocat des autres euh, corps euh, de métier, euh, à savoir la plomberie, à savoir la menuiserie, le dimensionnement pour les ingénieurs génie civil qui est très important parce que c'est eux qui définissent les sections de fer à utiliser, d'accord, le revêtement, c'est-à-dire tous ces professionnels là qui interviennent, d'accord, pour euh, faire en sorte qu'un bâtiment soit beau et soit résistant durables doivent également avoir des, agences, hein, des, services comme les leurs là qui vérifient si réellement tout ça là est respecté. Parce que vous savez il y a une chose, ça je l'ai appris à l'université parce que quand on étudiait l'architecture dans notre faculté, c'est-à-dire il y avait deux facultés qui sont très sérieuses, d'accord, sur lesquelles l'État ne joue pas. Il y a la faculté de médecine et il y a la faculté de l'architecture. La faculté de médecine, vous voyez, quand on forme un médecin, on met dans ses mains la vie des gens. Mm-hmm. Quand on forme un architecte, la sécurité le des gens. studio là dans lequel nous sommes, c'est une dalle là-haut, d'accord Si ça a été mal construit, si ça a été mal dimensionné, si ça a été mal conçu par un architecte, on n'allait pas avoir la possibilité de s'asseoir ici, d'accord, développer tout ce discours-là. Ce qui veut dire que la vie des gens, d'accord, se trouve dans les mains de Dieu, il se trouve également dans les mains des médecins et dans les mains des architectes qui offrent des cadres de vie. Ce qui est vraiment important, d'accord, il faut avoir un œil très vigilant là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport euh, euh, aux normes. Boubacar Gavida vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, donc euh, moi je vais peut-être beaucoup euh, sensibiliser la population pour dire que vraiment de venir chez nous une fois votre installation est finie, vraiment de passer chez nous pour qu'on fasse euh, les contrat ou bien même pendant même la construction, euh, les gens peuvent venir chez nous demander nos avis, nous consulter, on peut leur faire des expertises, des installations électriques et vraiment de venir chez nous parce que je pense que la sécurité des installations électriques culturelles là vraiment c'est vraiment, c'est vraiment bien. Donc, vraiment, il faut venir. Tant qu'on n'a pas compté votre installation, vous êtes vraiment toujours dans le risque. Donc, tout, à tout moment, quelque chose peut arriver. Un petit coup qui peut arriver et ça va vous mettre tout dans l'air. Donc, c'est pas bon. Donc, vraiment, je les appelle. J'appelle la population de venir chez nous, vraiment de faire, de le visiter nos locaux, vraiment de venir se renseigner par rapport à ça malgré que le contrôle est obligatoire jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on a des difficultés. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'importance du contrôle et que le contrôle, là, ça permet de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ça garantit euh, une énergie fiable. Ça permet aussi de réduire les perturbations dues au fonctionnement de la société intérieure. Donc, en un mot, vraiment, c'est la sécurité Sécurité totale. Boubacar Gavida Moumouni, comment choisir les bons matériaux pour les installations électriques dans les habitations et où peut-on les trouver Pour choisir les matériaux les matériaux des installations électriques. De bonne qualité. De bonne qualité, oui. C'est-à-dire qu'on doit se référer à la norme, la, norme qui est régie par les installations électriques intérieures, qui est la norme, qui est une norme française. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on n'a pas une norme propre à nous, mais peut-être de l'avenir, peut-être on peut avoir euh, une norme propre à nous pas concernant la théorie. C'est la norme française qu'on utilise et c'est la norme vraiment qui a recommandé tout matière électrique qui doit être utilisée dans l'installation électrique doit être conforme à une norme sécuritaire. Donc c'est la principale norme qu'on utilise dans le cadre de la jusqu'à jusqu'au euh, niveau de contrôle. Donc euh, vraiment, pour choisir un bon matériel, on doit se référer à la norme. Et ce que j'ai dit. Euh, euh, euh c'est référé à la norme. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a aucune notion sur la norme peut connaître euh, la bonne qualité Bon, on peut. Quelqu'un qui ne connaît pas la norme, il peut connaître la bonne qualité, par exemple, à travers les marques. Parce qu'il y a les marques des des, matériaux électriques. On peut se référer, par exemple, aux marques. Là-bas aussi, il n'y a, pas, a pas de produits normalisés, les produits économiques. <laughs> bon, <laughs> là-bas aussi, au niveau des, mêmes, des normes, on a des problèmes parce qu'il y a la contrefaçon aussi. Voilà. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui, qui connaît, qui n'est pas du domaine, il est difficile pour lui de choisir les matériaux de construction. À ce niveau, est-ce que vous pouvez guider ceux qui en font la demande C'est ça, j'ai dit. Tous ceux qui viennent chez nous nous demandent des conseils. Nous, on peut les, on, on peut les conseiller des matériaux qu'il faut acheter si c'est possible, même, on peut même aller même voir même sur son chantier, voir les matières qu'il a payées pour dire que voilà, les matières sont pas ou sont pas bons. Oui, donc c'est ça, je dis vraiment, pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, vraiment, il est difficile pour lui de connaître. Et généralement, les gens font référence à des matériels ou qui coûtent moins cher et un matériel qui coûte moins cher n'est pas égal à un matériel qui coûte très cher. oui, à ce ah Boubacar euh, euh. Gavida existe-t-il une grande différence entre ces matériaux, et certains qu'on retrouve sur euh, certains marchés de la place tels que Katako Oui. Par exemple, à Katako, on peut avoir le tout. On peut avoir des matériaux de construction de bonne qualité. On peut avoir le contraire aussi. Mais ce que j'ai dit, un matériel de bonne qualité doit répondre aux critères que j'ai cités de le début, doit, avoir le, doit respecter les critères de durabilité, solidité, l'isolement et le bon fonctionnement aussi. Boubacar Gavida Moumouni, comment un particulier, par exemple, peut avoir accès à vos services Oui, il suffit seulement, tout particulier peut euh, se rendre chez nous sans problème surtout que les particuliers ont vraiment un branchement à faire. Parce que les gens passent chez nous quand il y a un Mais il y a certaines habitations qui n'ont pas de branchement. Là où il n'y a pas l'électricité, ceux qui travaillent avec l'énergie solaire, par exemple, ou bien les, les, moteurs électrogènes. Oui, même tout ce qui est vraiment qui concerne l'installation électrique les gens peuvent venir chez nous nous demander des conseils ou bien des orientations. Ça, il n'y a pas de problème. On est disponible vraiment le 5, du lundi au vendredi. Ça, il n'y a pas de Même le week-end, si vous voulez, si la personne a des problèmes avec nos numéros, euh, la personne peut nous contacter. Ça, il n'y a pas de problème. On est disponible pour ça. On est là pour ça. On est là pour la sécurité des personnes et des biens. Chaque jour, euh, vos agents font le tour des habitations et autres chantiers pour euh, des raisons d'inspection et de contrôle technique. Qu'est-ce qu'ils constatent sur le terrain Bon, ce qu'ils constatent sur le terrain, vraiment, c'est amer. Parce que vraiment, il y en a qui vraiment qui connaissent pas, qui s'élèvent, ils partent à Katago, ils cherchent leur exercice à leur façon ils paient leurs matériaux et jusqu'à la finition qu'ils passent chez nous pour les compter. Et quand on parle de faire les compteurs, c'est vraiment c'est désolant, Donc vraiment, avant de, commencer à faire l'installation, vraiment, il faut chercher d'abord un électricien qualifié. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission de la scène, il y a un arrêté qui a été signé en date de 7 mai 2001 par le ministre en charge de l'énergie à l'époque, qui octa des agréments à, des électriciens. Ça veut dire que dans la ville de Niamey, on a des électriciens agréés, qualifiés, qui connaissent les matériaux, la qualité des matériaux électriques et qui savent faire l'installation électrique comme, comme ça se doit de l'énorme. Donc vraiment, il faut d'abord se référer à un électricien professionnel. Il y en a plein à Niamey, ou bien, je pense que tout récemment, il y a même une station de, des électriciens qui a été créée. Donc les gens peuvent même aller chez chercher des, installateurs électriciens vraiment capables pour les faire l'installation électrique. Au lieu d'aller à Katako ou bien ailleurs chercher un parent qui sait bricoler. Parce qu'il y a un problème, il y a un électricien professionnel, il y a un bricoleur. Un collègue, lui, il ne connaît pas la norme. Lui, il suffit que s'il fait ses corrections, que les ampoules, ça que les ventiles marchent. Alors qu'un professionnel, lui, il va essayer de faire de respecter la norme, la norme NFC 15. Boubacar Gavida Moumouni, en cas de présence d'anomalies quelconque, que faites-vous Oui, quand on part faire les contrôles et qu'on trouve qu'il y a des anomalies, ça, ça manque pas. On peut faire pour un compte, on peut faire jusqu'à 4 à 5 fois on, fait des recommandations. Par exemple, si on trouve qu'au niveau de l'installation, il n'y a pas la terre, par exemple, euh, au niveau de la prise, là, quand on ouvre, que la phase est nette, donc euh, vraiment, on recommande qu'il y ait vraiment les conducteurs de protection. Dès qu'il y a un problème, vraiment, on fait des recommandations. On sensibilise les terrains d'abord. Et généralement, ce que les gens nous racontent aussi, c'est les gens, ils se font toujours à des matériels vraiment qui coûtent moins cher. Quand quelqu'un veut faire ses installations, il regarde d'abord, si même les fait un début des matières de qualité, mais qui coûte cher, ah, on ne peut pas. Donc, il va toujours se référer à Katako pour faire ses matériaux, euh, payer ses matériaux électriques. Kane Habibou, vous êtes architecte. La construction d'un bâtiment, un immeuble ou une infrastructure doit répondre au respect de certaines normes. Pourquoi certains Nigériens ont tendance à ignorer le respect de ces normes en matière de construction par ignorance ou laxisme Bon, euh, je dirais les deux. Parce que, euh, vous savez, l'acte de construire, là, il est vraiment organisé. C'est-à-dire pour avoir la solution à tous les éventuels problèmes, il faut euh, simplement s'attacher euh, au cahier de charge défini. C'est-à-dire si vous approchez un professionnel, il vous définit un cahier de charge. D'accord L'électricité, la plomberie, tous les différents corps d'État. D'accord Dans le cahier de charge, on vous dit de manière spécifique quoi acheter comme marque, quoi acheter comme qualité de produit, et comment passer à l'exécution. Et il y a un, autre aspect aussi qu'il faudrait relever. Vous savez, normalement, l'autoconstruction n'est pas permis. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un projet de construction, il doit consulter des entreprises. Ça, c'est pour les immeubles, les immeubles. pour les immeubles, même pour les villas. Tu consultes une entreprise, tu consultes un tâcheron, d'accord qui va exécuter, suivant le cahier de charge défini par euh, l'architecte ou l'ingénieur, d'accord, euh, qui a conçu le projet, l'entreprise respecte le cahier de charge. Normalement, c'est ça. C'est pour ça que, bon, deux fois, si euh, on, développe le discours autour euh, de permettre à un client d'aller à Katako acheter tel ou tel matériau de construction, tout ça, ce sont en réalité des, des comportements qui ne sont même pas tolérés, acceptés dans l'acte de construire. C'est-à-dire l'acte de construire ne permet pas à quelqu'un qui n'est pas professionnel d'aller acheter et amener. Il doit, comme l'a dit M. Boubacar, voir un professionnel, c'est-à-dire le lot électricité. On donne à un électricien, d'accord avec un cahier de charge, parce que l'électricien, il est guidé par quoi Il est guidé par le cahier de charge, il est guidé par euh, le schéma unifilaire, il est guidé par le plan d'électricité, où on fait ressortir l'ensemble des appareillages, on fait ressortir l'ensemble du passage des fileries, l'ensemble des liaisons électriques, l'ensemble des points lumineux. Normalement, le porteur du projet, le propriétaire de la maison individuelle, je vais me résumer à votre inquiétude pour euh, le niveau euh, des particuliers, d'accord il prend cela et il remet à un électricien qui lui fait une offre. Il lui dit voilà à combien je vais te faire cela. Et normalement, les quantités, d'accord, et puis la qualité des matériaux à utiliser, c'est déjà développé, défini dans le cahier de charia, ce qu'on appelle le devis descriptif, d'accord, qui accompagne chaque projet de construction. Dans le devis descriptif là, l'opération dans son moindre détail, d'accord, euh, euh, a défini des recommandations et des prescriptions techniques. Voilà ce qu'il faudrait faire par rapport à tel lot, voilà ce qu'il faudrait faire par rapport à tel ouvrage. S'il y a le respect de ces prescriptions, de ces cahiers de charges-là, d'accord, il n'y aurait aucun problème par rapport aux constructions. Une chose est sûre, d'accord, pour répondre à votre question, aujourd'hui, tout celui qui veut lancer une opération de construction, même le barème des honoraires des architectes, il n'est défini que 4%. D'accord C'est de 4 à 12% selon la complexité des ouvrages, les honoraires des architectes. Et si vous regardez, D'accord Les 4% là qui vont être éventuellement prélevés. Et ça, les 4%, c'est en cas de contrat signé avec l'État, avec les institutions internationales ou les ONG de la place, ou bien les grandes entreprises de la place. Si vous regardez avec les particuliers, il n'y a même pas le respect de ces honoraires-là. Ce sont des forfaits que les, les concepteurs définissent. D'accord Une fois que vous vous attachez cela, vous confiez l'opération à une entreprise qui, les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, vous pouvez consulter une entreprise qui va vous faire des travaux à moindre coût que quand vous-même vous vous lancez dans cette opération. Parce que si vous vous lancez dans cette opération, vous ne maîtrisez pas. Euh, l'environnement, vous ne pouvez pas maîtriser le comportement d'un maçon, non plus d'un électricien, d'accord Alors que si vous confiez à une entreprise, elle, du démarrage des travaux jusqu'à la fin, elle a des gens qui l'accompagnent habituellement. Donc, vous pouvez avoir des coûts réduits même en consultant un tâcheron, un entrepreneur, et puis également avoir la qualité, d'accord au, au, moment de la réception des travaux. Mais si vous vous engagez vous-même à construire, c'est très difficile, c'est très complexe et vous allez avoir plusieurs comportements venant de plusieurs acteurs que vous ne pouvez pas maîtriser parce qu'ils estiment qu'ils sont sur une opération ponctuelle, donc ils peuvent rentabiliser au maximum. Mais si vous donnez à une entreprise, l'entreprise, elle, elle possède tous ses techniciens, elle possède un staff qui travaille, et ce staff-là est fidèle à l'entreprise, et donc du coup, les coûts définis d'accord, au moment de la signature du contrat entre l'entreprise, je le dis bien, et le particulier qui veut construire sa villa. quels sont les autres risques pouvant décoller de l'utilisation de mauvais matériaux de construction ou encore l'inobservance des normes de construction vous savez, il y a une chose, hein. c'est-à-dire euh, s'il n'y a pas respect de normes dans tous les domaines, ce qui a des conséquences fâcheuses. Tout celui qui ne respecte pas le cadre établi, il sera obligé de vivre les conséquences, il faut l'admettre. Et celle-là n'est pas une règle qui change dans le domaine de la construction. C'est par contre euh, là-bas même où le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité, parce que si vous ne respectez pas les règles, normalement un bâtiment, il a un âge. D'accord Un bâtiment, il a un standard défini, d'accord Suivant les sollicitations qui lui sont infligées. D'accord Et si vous lui infligez les sollicitations sans pour autant avoir respecté les règles, les normes, d'accord, qui sont censées répondre à ces sollicitations-là, vous aurez à un moment des, ouvrages qui sont complètement hors normes, qui, un, vont pas laisser votre investissement, d'accord, sur place pour la durée qui, lui a, qui a été déterminée, d'accord, pour sa durée de vie. Deux, vous exposez vos biens, vous exposez votre famille, vous, vous exposez votre service si c'est une entreprise, et tout votre fonds de commerce va d'un jour à l'autre écrouler. Parce que si vous vous retrouvez face à une situation dans laquelle vous êtes obligé de faire un travail de récupération sur la qualité de votre bâtiment, vous allez vous rendre compte que vous avez dépensé beaucoup, vous aurez à dépenser beaucoup plus que quand vous avez choisi dès le démarrage des travaux à confier l'ensemble des travaux à un professionnel. Boubacar Gavida Moumouni, est-ce qu'après sinistre, vos services sont consultés toujours quand on fait référence à nous des fois pour faire l'expertise. Par exemple, quand il y a eu, euh, je sais pas, le ministère de la Justice, mm, l'enseignant qui, a cramé, donc euh, on a été réquisitionné par le commissariat de la police judiciaire, la PJ, je pense bien c'est comme ça on l'appelle. Oui. oui, donc on a été saisi pour euh, faire l'expertise d'installation électrique intérieure. Donc, tout ce qui est un sinistre, vraiment, euh, si, si les gens passent par les autorités, donc euh, on nous recommande, ils passent par nous et on nous permet d'aller faire l'expertise pour déterminer c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a eu, les causes d'incendie. Boubacar Gavida Mumbuni, quels sont vos conseils pour un meilleur choix des matériaux aux normes en matière de construction les conseils qu'on peut donner vraiment tout, rapidement euh, il faut d'abord se référer à un professionnel comme je l'ai dit tantôt pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine il est difficile pour lui vraiment de, choisir les bons matériaux de, électriques il faut se référer à un professionnel qui connaît les, matériaux et vraiment avec lui, vraiment, il peut faire, il peut l'aider à, propriétaire de la maison de choisir de bons matériaux de, de construction. Voilà, en conclusion, il faut retenir que la sécurité des personnes et de leurs biens n'a pas de prix. À ce titre, outre l'État, les populations peuvent contribuer à la préservation de leur propre sécurité et confort, ainsi qu'à celle des tierces par l'utilisation des bons matériaux répondant aux normes de construction. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Kane Kadaoura Habibou, architecte, président de l'association des jeunes entrepreneurs. Nous étions également avec Boubacar Gavida Moumouni, chef de service contrôle technique au niveau du projet sécurité des installations électriques intérieures au Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.